Cette 72e édition du Mawloud, qui marque la commémoration de la naissance du prophète Mohamed paix et salut sur lui, s'est déroulée à Tchota dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 septembre 2024 dans la communion de cœur et d'esprit avec la participation de plusieurs milliers de musulmans venus de notre pays et des pays amis, parmi lesquels les membres du CNSP et les autorités administratives et coutumières de la région. Ainsi, durant toute la nuit, des louanges du prophète paix et salut sur lui, des prières et doigts se sont poursuivis jusqu'à l'aube pour édifier le public sur la pratique de notre religion de paix et de tolérance qu'est l'islam. Après la prière de l'aube, le chef de canton de Harkanasu, Chota, l'honorable Jermokoy Ahmad Seni et le gouverneur de la région de Dosso, le général de brigade Hiro Umaru, ont dans leurs interventions à langue transmis à l'ensemble des fidèles les salutations fraternelles du président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, avant d'évoquer certains thèmes liés à la cohésion sociale, au patriotisme, à la sécurité et au don de soi, pour ne citer que cela, afin que notre pays puisse atteindre sa pleine et entière souveraineté. Quant au chef de la délégation du CNSP, le chef d'état-major particulier du président du CNSP, il s'est d'abord acquitté d'un devoir, celui de transmettre à l'ensemble des fidèles les remerciements et les salutations fraternelles du président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour leurs multiples accompagnements au Saint-Esprit, avant de les exhorter à poursuivre les prières pour qu'Allah protège notre pays, ses dirigeants et son peuple, et au-delà les peuples de l'AES. Le général Abdraman Chani, qui croit sincèrement et sérieusement à tout ce qui se fait dans le cadre de la religion musulmane et qui croient sincèrement que tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, tout ce que nous sommes en train de réussir aujourd'hui, nous le réussissons grâce à Dieu, grâce à ce que les marabouts qui nous soutiennent, corps et âme, qui prient pour nous matin et soir, c'est grâce à eux et grâce à leurs prières que nous sommes en train de réussir aujourd'hui ce qui est en train de se passer au Niger. Le général Abdraman Chani nous a dit de venir ici dire merci au Cheikh pour tout ce qu'il est en train de faire avant et pendant le Mouloud et tout ce qu'il aura à faire après le Mouloud. Il encourage tous ceux qui se sont retrouvés dans des situations qui ne sont pas très très bonnes suite aux inondations, la pluie est une bénédiction de Dieu. Nous ferons face à nos difficultés grâce à nos propres moyens et grâce à votre solidarité. Nous sommes venus ici pour vous demander de continuer à prier pour le Niger, à prier pour nos forces de défense et de sécurité. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde Prenant la parole à son tour, Cheikh Khalif Moussa Aboubakar a, au nom de l'ensemble des fidèles du Niger, remercié le président du CNSP, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, pour ses multiples appuis pour le rayonnement de l'islam dans notre pays. La fin de cet important événement a été sanctionnée par une fatia prononcée par Cheikh Moussa Aboubakar pour que le bon Dieu descende la paix, la quiétude sociale sur notre pays, qu'il guide nos dirigeants et pour qu'il veille sur nos vaillantes forces de défense et de sécurité du Niger et celles de l'AES.